Ok, c'est super. Alors, on va démarrer avec euh, les femmes euh, très rapidement. Euh, de la série Pot de Marichou, qui est la sœur de Pot 6 Série Et cela fait 3 ans, 3 séries up, euh, saison up assisté le succès que, que, que, tu as, le succès que qu'a bien sûr la série Pot et Marichou, comment vous le vivez, toi, au Bon, le, succès que nous avons, bien sûr. Bon, euh, moi, mon, je, vis ma vie comme d'habitude. Il euh, n'y a rien qui change. Déjà, je suis très facilement gênée par ça. Genre, mais gueule, nous me et tout. <laughs> ça me gêne beaucoup. Donc, d'habitude, je sors même pas à la que toute la journée. Donc, mais quand même, euh, ça nous a vraiment fait plaisir. Au début, on s'y attendait pas du tout. C'était pas du tout facile non plus. Mais bon, alhamdoulilah, avec santé Allah prix bi nga xamante ne Billy gagné na ko ça te fait quoi nga doon collègue am. ñu wax la moom mooy meilleur acteur euh, bien sûr 2018 fii du Sénégal au niveau des séries. vraiment j'en suis très très très fière hein. vraiment d'encourager encourager parce que li def mon mën t'es ko d'accord nañ ko mën na ko. Euh, encourager di wax vraiment du courage et gënal gënal job dal, incha allah ba yeneen ak yeneen ak yeneen si comment vous le vivez vous les actrices parce que côté un Billy ñoom ay góor uh-huh. mais a des yi que ça soit toi Oumou Eva Marichou et tout au niveau des réseaux sociaux. Uh-huh. y clash yi suñ koy def umu lii sol umu lii la wax euh, ñii seen série bi dafa bëri ay phone ñii ak tu vois euh, tu vois <laughs> qu'on qu'on qu'on fasse euh, parce que am ay qualité am ay défaut am na ñu bëgg am na ñu bëggul mais yéen en tant que femme su ngeen gisee réseaux sociaux yi ñuy wax yenn wax yi ça vous fait quoi Bon, déjà, moi, quand tu critiques, parce que je me dis que tu parles à mon personnage, Roulon Agman mais quant aux personnes qui vont jusqu'à critiquer le physique d'Amaya on est peut-être genre euh, d'union analyser parce que moi je me dis que tu peux critiquer ce que je fais quoi mais dit critiquer ce que ce que je porte comment je suis physiquement ah, on a le droit de te dire que tu es mal habillé non si vous avez si c'est trop sexy ça c'est de notre devoir monde de faire attention quand même à ces genres de choses là personnellement man <laughs> personnellement man man j'y veille j'y veille sincèrement j'y vais donc ñeneen a rien Mais, mais ça te décourage pas taille soo ce ci internet yi nous clash Ben Billy ou ñu clash Ben Oumou wala pote wala ñu le non une série binaire ou telle série moi, ça vous fait quoi. Euh, pas grand chose du moment que euh, sama la dama koy def sama ñu je fais ce que j'ai à faire et je je pars c'est tout genre si si tu aimes c'est cool sinon c'est pas grave peut-être je peux essayer de m'améliorer mais tu mënuma dem ba yegg fi nga xam c'est-à-dire que des fois les personnes veulent à tout prix que le scénario nyom scénario bi topp ñoom bug bug, bëgg bug. bëgg genre ils veulent tout le temps que umu soit nickel comme ni la war donc par force umu non, la war non non non umu elle a un scénario à suivre ñu am koy donc il faut mu def ko parce que liggéeyam la voilà il faut qu'il comprenne cela série mais ku dafa am on n'est pas là pour se pour pour pour rivaliser fi pour rivaliser au contraire moi je me dis qu'on n'est même pas encore autosuffisant côté série et tout ça vraiment pour pouvoir concurrencer peut-être les novellas et tout ça mais on n'est pas là pour rivaliser entre nous cette bonne série moi, bi Sénégal non non non instant on vise peut-être euh, dem euh, au niveau de Nollywood pourquoi pas vraiment et pour ce faire il faut qu'il y ait au moins le nombre le nombre bobo donc waruñ fi sax nekk rivaliser parce qu'on n'est vraiment pas encore. pourtant ça existe au Sénégal ici ça existe Il y dañ des rivalité de y a des série yu nekk fii Sénégal. Euh, uh-huh. tu vois ay euh, façon façon série bu non donc, et mhm. c'est c'est dommage hein. c'est dommage parce que comme je t'ai dit lolo on est là pour euh, le cinéma sénégalais tous ensemble on n'est pas là pour se battre on est là pour faire avancer le Sénégal et le cinéma sénégalais. Bon rôle le jouer ci série bi sétane bi wala Makoro bi wala <laughs> ban rôle Rakoupat bi ban série ban rôle nga jouer Bon disons que je suis la médiatrice de la famille Diop quoi. Je suis là pour euh, l'identité séni ay dugg-dugg mo ak wat voilà. Euh, maintenant, vu que mère Benek Toufi, c'est moi qui ai, qui ai quasiment pris sa place. Quoi. Et vraiment, euh, maa ngi ciy dund lu ok en tant que sœur de que euh, euh, kan nga si si série mm. Eva la la Betty. ah non pas Betty ah non. <laughs> non non non. Betty. Ah non non non non Betty est venue elle s'est incrustée non non bon je parle du personnage nag de ndax Betty sama gagne vraiment <laughs> mais disons que ici je devais me comment dirais-je vraiment comment ressembler Mon Eva quoi. je eh, eh, l'adore hein. non non et puis et puis c'est pas pour tout c'est pas pour c'est pas pour toi c'est pas pour te jeter des fleurs hein. puis c'est l'animateur aujourd'hui hein puis c'est pas aujourd'hui le. le mari de Eva c'est juste un animateur qui pose des questions j'ai moins brouillé non Eva et et je vraiment je m'identifie bien à elle donc euh, je préfère le personnage de Eva parce que je pense que L'humour si j'étais à sa place, j'allais faire pire à pote, quoi, sincèrement. Tu es jalouse comme femme toi. Euh, pas jalouse, mais j'aime pas l'ingratitude, quoi. Ok. <laughs> voilà. La famille Diop sont en faillite ces temps-ci oui, mais bon, le gars, il a un peu bien cherché, mais bon, il y a la barre, non mhm. Mhm. Mais on pas qui de <laughs> Non. J'aime pas la violence. <laughs> Ok, c'est super. Alors, on passe aux questions-réponses. Euh, mhm. bien sûr, on va permettre aux Sénégalais de savoir est-ce que vous étiez complice, euh, vous, euh, les couples, bien sûr. On va démarrer avec toi, vu qu'on parle avec toi. Mhm. N'est-ce pas, Oumou mhm. Oumou, tu es l'ami invisible de qui euh, Freestyle. De Freestyle Ouais. Ok. Alors, tu peux nous parler un tout petit peu de lui Ce monsieur-là, selon toi. son prénom, son nom. C'est quoi Cher Ibra T'as tu le lolo. Qui, elle est branchée hein? <laughs> Bonne réponse. Alors, euh, cher ibre Femme, euh, c'est quoi son plat préféré euh, Ce truc-là avec les éléments aquatiques, là, c'est pas le soupe kanja déjà Soupe kanja, bonne réponse aussi. Et fils. <laughs> Eh, Phil, Beaucoup souffler d'aran bah écoute, ko toi et souffler au aussi. ok <laughs> super alors euh, la couleur préférée de ton ami invisible freestyle c'est quoi. bon euh, regardez bien les moussoles quand même. Orange. Orange. Bonne réponse aussi. <laughs> Ah, ben. Euh, le sport préféré de ton ami, c'est quoi Ah, on, on, a un sport en commun, c'est la natation. La natation Oui en a ko bokk. Là, c'est une ah. bonne réponse. C'est la natation, je pense. Natation et sauf. ok. Alors, c'est deux pays de rêve, selon toi Deux pays de rêve. De freestyle. Le pays de Trump et quoi d'autre Les USA. Oui, USA. USA, ok. Euh, ah. Alors, quel est le fruit préféré de freestyle, selon toi son fruit préféré. Freestyle, hein, hein, hein, hein, hein, hein on parle pas. Bon, je vais. <laughs> Comme couleur orange, est-ce que tu m'as orange Orange <laughs> Tu t'es trompé Désolé Raoul. C'est quoi ton fruit <laughs> Mais arrêtez de le perturber, Yenta. Pomme. Pomme. Oh là là, c'est Pomme Ok. Hum? Alors, selon toi, quel a été le meilleur moment vécu de la vie de Freestyle de sa vie Il dit qu'il a une femme, peut-être c'est son mariage. son mariage. ok. Euh, c'est la naissance de son fils. pas qu'il avait un fils Ok. Deuxième mauvaise réponse, euh, bien sûr. Mhm. Pire moment de sa vie, selon toi Ah là, je peux pas. là, là, tu connais pas. Est-il un homme fidèle ou infidèle, selon toi Fidèle. Fidèle. Mhm. Euh, selon toi, qu'est-ce que Freestyle aime chez une femme selon toi quoi Non, on voit le bëgg si jigéen. <laughs> pas tort pas tort. mais. <laughs> Il y a quelque chose qui m'a échappé. Oumou, il y a quelque chose qui m'a échappé. rien du tout mais vraiment dara quoi <laughs> j'ai dit quelque chose j'ai fait quelque chose. non non j'ai moi fait ta tasaare ndaw quoi. en Billy j'ai la fi tasaare Ouais Billy. ouais mais tasaare fi. ok vas-y selon toi qu'est-ce qu'il aime chez une femme. Gore, lan la war non physiquement ou si genre. caractère physiquement. Euh, alors on passe au teint Bon teint selon toi bon teint mon koy Daniel. teint noir bi wala teint clair ah clair. teint clair. <laughs> <laughs> ok on note euh, euh c'est superbe. Alors, euh, pour l'instant, on s'en arrête euh, euh, là-bas. merci d'avoir répondu à, nos questions. Ouais. Ok. Qui n'a qui amna message ton jumeau a dit tchuss. <laughs> C'est quoi ça oh. C'est un message hein Quand l'auditeur il non, puis il na Il n'a pas dit ça. Hein? Non, il n'a pas dit ça. il n'a pas dit ça. En plus, oh. c'est une, une fille qui l'a dit, hein, Adam Jumel, non, non, ok. Alors, euh, taï, li posé li posé pour freestyle yep, mom la bëggoon xam si réellement taï. à travers l'émission de jumeaux PNJ on veut savoir qui est réellement euh, cette dame euh, qui est là. On aimerait savoir, toi déjà, ton, ton, vrai prénom et nom, vu que tu viens de nous répondre. Donc, on freestyle, hein, mais il y a en personne. Ton vrai prénom et nom, c'est quoi Le prénom de qui de Homo. de Je suis censée le dire. Oui. Ok, Aïssatou c'est Tu savais ça, toi, Freestyle Yeah, depuis. Depuis, ok. Alors, euh, vu que tu ah, savais ça depuis, euh, c'est quoi son plat préféré, Freestyle La question, c'est pour toi. Euh. Freestyle, c'est quoi le plat préféré de ton ami Plat préféré, c'est bon. C'est bon, bonne réponse. Quelle est sa couleur préférée euh... noir. noir, bonne réponse. Quel est le sport préféré de ton ami Oumu Elle m'a aidé parce que je pense que je bosse euh, natation. natation. Quels sont ces deux pays de rêve euh, Canada. Canada. C'est vrai ça Oui. C'est vrai ça, Oumu Oui, c'est vrai. Alors, euh, bonne réponse encore une fois. Uh-huh. Istanbul non euh, Turquie. Turquie ah bon tu connais tout ça. waaw mm. bah, joxaatal sama casque bi umu mm-hmm. joxaat ko se ko umu. Eh, se connaît. umu casque bi ma ah, xool. umu alors tout le Sénégal t'écoute. quel a été le meilleur moment vécu de la vie de Omo Au moment que tu n'arrives pas à oublier, que tu as vraiment aimé, c'était quoi Quand j'ai réussi à avoir mon bac. Ton baccalauréat mm -hmm. Donc, amé, dans le contact Ouais. Ok, il y a une fatale école, Amé Oui, de la fosse la Ok, le pire moment que tu as vécu aujourd'hui, que tu n'arrives pas à oublier. Billy a eu le courage, Freestyle, Lipokora, ils ont eu le courage de nous le dire, malgré que c'était tellement difficile. Mais on est dans une émission fun, où tout le monde a envie de savoir. Est-ce qu'on peut savoir le meilleur, le pire moment vécu de la vie de Oumu, un moment que tu as vécu, que tu n'as pas aimé Bon, jusque-là, je pense que c'est d'avoir été séparé de, de, de ma sœur parce que Magando et tout, on a toujours, même on dormait ensemble. Donc un jour, un beau jour, elle est venue me dire, voilà, je pars vivre ailleurs, dans un autre pays. Et depuis lors, Gisa Tumoko. Et ça, ça me fait mal. Ce jour-là, quand même, amna torop, torop, torop. Mais il y a le bus jot aussi que je puisse la revoir physiquement. Ça elle est où actuellement Elle est aux États-Unis. Bon, au Canada, voilà. Okay. États-Unis, le Nekon, après, elle est partie. Ok. Voilà. La séparation de ta soeur. Voilà. Super. Alors, chez un mec, chez un monsieur, chez un homme, qu'est-ce que tu aimes Quelles sont les qualités, les critères que Oumou, la petite sœur de pote, aime Madame Sigour, lan moo lay charmer lan moo lay gondi si la modestie. un mec modeste. modeste simple. ok bëggoo góor bu rëy. bëri mm, tiitër bëgguma góor bu bëri tiitër gour góor bu arrogant aussi voilà. Alors bëgg góor alors côté côté physique euh, góor bu xees góor bu ñuul góor bu gàtt góor bu ñool góor bu pata wala góor bu sew anyway nu mënti mel baax na na na nekk ku baax rek voilà na doon góor rek waaw ok <laughs> ok c'est c'est c'est important de qu'est-ce que tu n'aimes pas chez un mec ce que je n'aime pas comme j'ai dit c'est juste l'arrogance ñàkk le contraire de ce que j'aime quoi tout simplement. Ok, c'est super, c'est intéressant de, le savoir. Uh-huh. Alors, merci d'avoir répondu à, mes questions. Es-tu une femme fidèle ou infidèle, toi Oui, je suis très, très fidèle. Tu es fidèle Oui. Ok, une femme jalouse ou pas Oui, jalouse. Oui. Jalouse. Uh-huh. Ok. Tu es plus Pape Diouf ou Walisek euh, Walisek. Ok. Tu es plus Messi ou Cristiano Ronaldo <laughs> je regarde pas le foot, hein. Tu n'aimes pas <laughs> Non. <laughs> c'est super. Euh, alors, qui est l'artiste préféré de Oumu Youssou aussi. Uh-huh. Super, on garde, euh, j'ai une note Youssou après on va la mettre parce que les auditeurs vont me tuer depuis tout à l'heure, on m'envoie des messages, puis on veut le direct. Alors rapidement, on